Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse. Pour rappel, le Forum de la presse est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum de la presse de ce soir, nous parlerons du 61e anniversaire de l'accession du Niger à son indépendance. C'était le 3 août 1960. À suivre les analyses et commentaires de nos confrères au sujet de la commémoration de cette indépendance et de la fête de l'arbre qui est célébrée parallèlement le même jour. Sur un autre plan, nous discuterons de la situation sécuritaire qui prévaut à Gabi dans la région de Maradi, village frontalier avec le Nigeria voisin. Enfin, nous reviendrons sur cette rencontre d'acteurs culturels qui s'est tenue jeudi dernier à Niamey en prélude à la mise en place prochaine d'un dispositif de lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Niger. Restez avec nous dans un instant le développement de tous ces points avec nos confrères de ce soir. bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Kalangou. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la modération de ce forum et avec moi dans ce studio mes confrères Elagi Mahamadou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Euh, Elagi Suleiman, bonsoir. Nous avons avec nous Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna, bonsoir. bonsoir, Et nous avons également Hussein Issa, journaliste indépendant. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous euh, d'être euh, venu à ce rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse. Ce mardi 3 août euh, passé, le Niger célébrait, donc euh, je le disais, le 60 e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une indépendance qui devait être d'abord politique avant d'être économique, selon l'écrivain nigérien Idi Adamou, interrogé par Mokhtar Amadou. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est pourquoi les premiers dirigeants ont lutté, c'est effectivement avoir une espèce d'autonomie politique. Mais la construction du pays doit se faire avec les moyens qu'ils ont. C'est ce qui s'est passé en 1960. Les textes disent clairement que les premiers objectifs recherchés par ceux qui ont la gestion du pays en main à l'époque, c'était d'abord une indépendance politique. Ensuite, l'indépendance économique. Malheureusement, dans les négociations pré-indépendance, il s'est passé beaucoup de choses qui apparaissent maintenant au grand jour avec les moyens d'information. À savoir que la France, pour ne pas la nommer, a concocté des accords machiavéliques pour maintenir toujours sous sa dépendance les 14 pays francophones qui ont accédé à l'indépendance dans les années 60. De Gaulle disait à son corps défendant qu'il aimait les grands départs qui font revenir. C'est-à-dire que vous partez, oui, mais je vous tiens là où c'est essentiel, c'est-à-dire dans tous les domaines stratégiques sur lesquels vous pouvez espérer vous développer et vous émanciper réellement. Vous venez donc de suivre Idea Adamo, l'écrivain nigérien, c'était qui s'exprimait au sujet de l'indépendance du Niger. Maimouna Diado, quel commentaires vous inspire donc euh, les propos de l'écrivain à propos de l'indépendance du Niger euh, sont un déjà euh, Ok, euh, Kouzi, merci. Donc, ce que je peux dire par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que il parle d'abord de indépendance politique, ensuite indépendance économique, au moment où le Niger, le 3 août 1960, le Niger a eu euh, son indépendance. Hmm. Bon, quand on regarde le contexte actuel dans lequel nous sommes, c'est vrai, ceux qui ont, euh, en 1960, quand on prend 1960 et qu'on regarde aujourd'hui le contexte actuel, en 2021, il a un peu parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, la politique devrait avoir euh, le dessus par rapport à, justement à l'économie. Quand je dis la politique, devrait avoir le dessus par rapport à ça, c'est notre indépendance politique d'abord. Notre indépendance politique, c'est comme si on a, selon lui, mm. on a comme l'impression que jusqu'à présent, nous sommes dominés mm. par la France. Mm. Nous ne sommes pas libres totalement, indépendamment. Donc là, je suis tout à fait d'accord, parce que quand on regarde, il y a certains accords que jusque-là, on n'arrive pas en fait à renouveler ces accords-là. Alors justement, à votre avis, euh, quels sont les domaines, par exemple, qui permettent de, dire que le Niger est véritablement indépendant et quels sont ceux qui laissent croire que le Niger n'est pas encore indépendant Si je prends le cas de ceux qui laissent croire que le Niger n'est pas indépendant, ce que je viens de dire à l'instant, ceux qui croient que jusqu'à présent, il y a une domination de la France sur le Niger. Ça, ce sont ceux qui pensent, qui réfléchissent de, la sorte. Quand je prends ceux qui pensent qu'aujourd'hui nous sommes indépendants, c'est quand on regarde l'amélioration euh, de certaines conditions de vie, même si on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, quand même il y a une amélioration. Et il y a aujourd'hui également, euh, on ne peut pas nier que la France, qui est le pays colonisateur, aujourd'hui est en train d'investir qu'on ou non, dans, certains, oui, dans certains mm. secteurs mm. Mm. Euh, sociaux de base. Donc, euh, moi, je pense qu'en en fait, il faut voir cet aspect. Il ne faut pas voir également l'aspect totalement négatif, mais il faut également voir l'aspect positif. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à... Euh, à ce qu'il a dit. D'accord, d'accord, Maimouna. El Suleiman, qu'en pensez-vous Vous avez écouté l'écrivain nigérien donner un peu, en tout cas lui, sa façon de voir euh, l'indépendance euh, du Niger. Il disait, entre autres, par exemple, que euh, l'indépendance était intervenue dans des conditions où certains éléments n'étaient pas explicites, mais qui aujourd'hui sortent au grand jour. Euh, merci bien. Il a surtout précisé que euh, la France a mis en place des accords euh, dans le sens justement de maintenir sa suprématie, sa domination justement sur les anciennes colonies. Mm. Donc ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui on se pose la question, sommes-nous vraiment indépendants sur le plan économique Politiquement, on peut considérer de façon euh, oui, quand on, arrive à élire les chefs d'État, c'est des Africains qui, qui, nous dirigent, nos, compatriotes qui nous dirigent. Mm. Euh, mais ce qui est plus délicat, c'est au niveau économique, en tout cas ces accords-là, le franc CFA, au, niveau au, mm. niveau de la, monnaie, vous voyez mm. par exemple, aujourd'hui, dans le mécanisme de, franc CFA, euh, les pays africains, aujourd'hui, il y a des devises qui sont déposées au niveau du trésor français euh, pour que nous puissions faire des transactions au niveau mondial, il faut donc que la France donne des garanties, mais c'est de l'argent liquide qui est couché dans le trésor français, alors qu'on a besoin des besoins réels pour construire nos pays. Euh, vous voyez, donc c'est vraiment une aberration ces, questions. Donc euh, il y a en, réalité beaucoup d'éléments hmm. qui montrent que véritablement il reste encore à lutter pour une euh, indépendance économique. Alors, quels sont les, qu'en est-il des acquis qu'on peut aujourd'hui euh, brandir et dire que euh, ça, c'est le fruit de l'indépendance que nous avons acquise Ce que véritablement, il y a un peu de superflu, c'est-à-dire que sur le plan politique, comme je l'ai dit, on arrive à faire des élections, c'est nos dirigeants en Afrique en tout cas qui dirigent. Mais dans la coopération, tout se passe comme si, en tout cas, il va falloir que ces dirigeants puisse se faire montre véritablement euh, de courage pour se démarquer, pour véritablement faire des choix euh, en tout cas qui prennent en compte les intérêts de, de, de nos peuples. Parce que ce n'est pas toujours le cas. En ce qui concerne notre pays, le Niger, la question par exemple euh, des, mines, hmm. l'uranium, hmm. vous voyez ce qui fait, c'est vraiment scandaleux. Jusqu'ici, en tout cas, je pense que les Nigériens ne sont pas satisfaits des accords, la façon, effectivement, même si on, prétend hmm. qu'aujourd'hui, le ne fait pas euh, beaucoup d'argent au regard du contexte. Mais ce que véritablement, quand on suit le, en tout cas le processus historique, ce que le Niger est lésé, on ne peut pas comprendre justement que la France puisse euh, se taper en tout cas la part de Lyon, à laisser le pays en tout cas euh, dans une situation difficile. Mm. Autrement dit, si les accords, en tout cas si la toute coopération est, est vraiment d'égal à égal, on pourrait véritablement profiter. Euh, mieux profiter effectivement de notre uranium. Hmm. Issa, euh, qu'en pensez-vous Le Niger, 61 euh, ans, après avoir accédé à l'indépendance, est-il réellement indépendant aujourd'hui Quels sont les éléments qui permettent de dire que le Niger est indépendant et quels sont les, les éléments qui prouvent le contraire Merci Alassane. Je vais un peu compléter ce que vient de dire Alassane. Suleiman. Hmm. C'est que Bon, l'indépendance politique formelle, on l'a hmm. depuis 1960. Hmm. Tu m'entends hmm. Et même ça, j'en doute aujourd'hui. Vous en doutez pourquoi J'en doute parce que tout simplement, même les élections dans nos pays, la France veut avoir une même mise par rapport à la conduite des processus et tout et tout. Contrairement aux pays anglophones, colonisés par les anglophones, ou non, c'est karma, vous prenez votre destin à main. Mais là, euh, pour, le cas du Niger. Hmm. Laisse-moi finir. Hmm. Où vous prenez votre destin à main. Aujourd'hui, ils continuent à avoir une même mise. Et ils ne le font pas de manière vraiment parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, des bons Samaritains hmm. qui veulent que nous soyons. Non, ils veulent parce que nous avons des ressources. Nous avons des ressources. Ils ne veulent pas que ces ressources leur échappent. Comment, matériel, comment se matérialise euh, cette même mise Non, non, non la même mise, c'est quoi la même c'est quoi les, coups d'État qu'on connaît à travers. Euh, dans les pays anglophones, je ne dis pas qu'il n'y a pas de coup d'État, mais on sait comment ça se passe c'est que des gens décident que non, non, non, on ne peut plus continuer dans cette optique-là, que des gens viennent s'enrichir et tout et tout. Mais chez nous, le plus souvent, c'est que c'est téléguidé les histoires de coups d'État dans nos pays francophones. Et je vais prendre le cas récent, par exemple, de la monnaie unique, l'éco. L'éco. Il y a deux pays qui sont développés, en tout cas dans la zone CDAO, qui sont plus développés que tous les autres pays pratiquement. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui, peut concurrencer ces pays. Je vais parler du Ghana et, du Nigeria. Eux, ils ont des monnaies. Propres Oui, oui. Des monnaies libérales. Nera au Nigeria, c'est au, Ghana. Mm. Ces pays-là, quand vous les comparez aux nôtres, en termes de PIB, ils sont de loin devant nous. Mais ils ont accepté, ils ont consenti ce sacrifice. Ils vont abandonner leur monnaie pour qu'on puisse faire l'écho. La monnaie unique de la CEDAO. C'est arrivé, c'est devenu quoi ce projet-là est devenu quoi Ça a été reporté. À, dernière jusqu'en 2025-2026. Voilà, s'il te plaît, si on va dans cette logique-là, eux, ils ont décidé de se sacrifier pour qu'on puisse se retrouver. Parce que vous savez, cette histoire de. Ah, mais à qui la faute Vous pensez que c'est à qui la faute Est-ce que c'est. Non, non, ce n'est pas hmm. les citoyens. Les citoyens hmm. sont prêts. Moi, la zone CDAO, c'est au moins 15 pays. parce que la moque, c'est au moins 15 pays. Si je peux commercer avec ces 15 pays-là, n'importe quel pays peut commercer librement avec ces 15 pays, on peut se développer de hmm. manière endogène. Tu m'entends Mais quand on se met dans une logique où on pense que le développement doit venir d'ailleurs, et quand ils ont compris que bon, on ne peut plus continuer à les maintenir dans une indépendance, dans une dépendance euh, tellement visible hmm. sur le plan politique, non, on va les, les, maintenir dans une dépendance économique. Hmm. il faut attendre que la Banque mondiale, le FMI, décide. On dit on va vous mettre la pression pour que vous adoptiez telle politique, telle politique. Bref, vous n'êtes pas, vous, pas convaincu qu'aujourd'hui, économiquement, nous ne sommes euh, pas indépendants. Non, non, non, mm. Merci. Nous allons poursuivre avec un autre aspect de, la célébration donc, de, cette indépendance, et notamment au sujet donc, de, la fête des l'arbre qui est célébrée chaque année parallèlement donc, à, cette euh, accession, à, à la commémoration de l'accession du Niger à l'indépendance. Cette année, on a vu que c'est sur le Moringa que l'accent a été mis euh, notamment les autorités ont mis en tout cas un accent particulier sur euh, la production du, moringa. Le moringa, cette plante nourricière aux vertus thérapeutiques et nutritionnelles, en tout cas multiples. Euh, alors, je reviendrai avec, avec vous le temps de donner la parole à Maimouna. Maimouna, qu'en pensez-vous de ce choix des autorités porté sur donc, le moringa Moi, je pense que c'est un choix bien réfléchi. Mm. Du moment où le moringa est consommé par tout le monde, le moringa peut être exporté également. Euh, ça peut régénérer beaucoup donc, euh, de bénéfices à la population. Mm. Et c'est également une plante où, médicamenteusement, euh, est utilisée. Mm. Ça veut dire qu'on n'a rien à perdre avec le moringa. Mm. Donc, il suffit tout simplement, là, c'est les suivis. Mm. C'est vrai, il faut planter, mais il faut également essayer de suivre. Mais je me dis que le moringa, si vous le plantez là, vous n'avez pas le choix que de le suivre. Mais, mais euh, on a eu, il, y a, eu combien de plants qui ont été, euh, mm. depuis combien d'années, mm. qui ont été euh, plantés et qui ont été abandonnés. Est-ce que justement, ce pas pour ça que maintenant... Maintenant, c'est ça. Maintenant, il faut aller vers cette consommation, cette consommation du moringa. Il faut apprendre aux Nigériens que, comme l'a dit le Premier ministre, que le moringa sert de cacao, c'est comme euh, en Côte d'Ivoire, qu'on ait au moins quelque chose où, quand, à l'image du Niger, où vraiment on peut commercialiser ça en dehors du Niger mm. et qui peut rapporter et qui peut également être euh, vraiment transformé dans plusieurs choses. Et nous avons vu que vraiment avec le Moringa, aujourd'hui il y a des femmes, il y a des associations, des, groupements féminins qui arrivent à faire avec le Moringa l'huile de Moringa, mm. les savons à base de Moringa. Donc il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses, aujourd'hui qui sont fabriquées à partir du mm. Moringa. Et nous sommes dans un contexte, c'est vrai, notre contexte permet le développement de cette plante qui est le moringa. Elal Suleiman, euh, la fête de l'indépendance est aussi la fête de l'arbre. Euh, on a l'habitude de l'appeler ainsi euh, chez nous au Niger. Chaque année, donc, il y a des arbres qui sont, en tout cas des plants qui, les gens mettaient, euh, plantés mais de plus en plus, beaucoup d'observateurs regrettent le fait que quelques jours ou quelques semaines, quelques mois plus tard, que ces plantes disparaissent et l'année prochaine, on vient, on refait euh, la même chose. Comment faire face à cette situation Est-ce que peut-être ce n'est pas déjà un début de solution qui est, euh, qui est proposé à travers euh, peut-être cette, initiative des autorités à, mettre le moringa en exergue Bon, je pense que c'est vraiment là le problème le plus inquiétant. Si depuis la première initiative euh, des plantations d'arbres, mm. on, on, faisait un effort vraiment. Euh, de, si on faisait justement un mm. effort de protection de ces arbres-là, mm. le pays allait être une forêt. C'est ce que beaucoup. Euh, en tout cas, cest que tout simplement, il faut déplorer le fait que même les autorités ne prennent pas soin de protéger les plans, en tout cas, qu'ils auront. on, chacun montre en tout cas à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Mais le plus important, comme on, le dit, ce n'est pas de le planter, c'est justement le suivi, hmm. de le protéger. Euh, donc je pense que de ce point de vue, les autorités doivent vraiment euh, faire de cette mesure, le ministère de l'Environnement en tout cas, qui est un peu de la suite des idées, de ne pas jeter les gens par la fenêtre. Hmm. Ce truc-là, euh, c'est quand même, je pense, un budget chaque année qui est consacré. Donc il va falloir aussi penser... Hmm peut-être euh, mettre moins d'arbres, mais vraiment avec les moyens, surtout pour la protection. Mm. Euh, donc, je pense que vraiment, c'est le plus important. on en a vraiment assez fait, mais pourquoi continuer à faire ce qui n'est pas opérationnel mm. Donc, il va falloir, moi, je pense, de mon point de vue, euh, vous, avez, raison, justement, le Moringa, c'est pour son utilité. Mm. Aujourd'hui, vous voyez, je pense que ce qui vient d'être, en vient encore davantage de booster, donc, euh, parce que déjà, on se rend compte depuis quelques années, même au niveau des grandes cérémonies, euh, vraiment, c'est le plat le mm. plus prisé, en tout cas, même par nos, les étrangers. Mm. Donc, c'est dire que, en tout cas, maintenant, davantage, et j'ai entendu la ministre avancer un chiffre, en tout cas, euh, donc, pour montrer que c'est important, du crois, mm. de 13 ou 15 milliards, ce que ça fait comme retombée de, l'économie. Donc, cela veut dire que, tout simplement, ça, c'est bien, c'est une très bonne initiative. Euh, la plante, elle est utile, euh, surtout les plantes, elle est nutritive, elle a beaucoup de vitamines mmh. sur plantes donc, euh, mais, absolument thérapeutiques, mm. thérapeutique, mm. donc même esthétique. Je pense que vraiment tout est utilisé, ces racines, ces les, feuilles. Donc vraiment, mais je pense que vraiment pour faire court, c'est que la fête de l'arbre en tout cas doit être repensée vraiment le, gâchis auquel on a vraiment doit cesser. c'est le plus important, je pense, au niveau de monsieur de l'Environnement. Il faudrait vraiment. Qui à planter, à les arbres, laisser mourir. Absolument. Hmm. Euh, euh, moi, je pense, hein, moi, je pense qu'on est dans la comédie toujours. Pourquoi je dis qu'on est dans la comédie hmm. Quand ça avait débuté, hmm. quand ça avait débuté, c'était en 63, avec le premier régime de Gori. L'idée de plantation d'arbres, ça a commencé un peu vers le quartier Liberté, là, dans un, euh, comment je dirais, dans la zone. Ensuite, ils ont perçu la nécessité de faire. Ça ne s'est pas arrêté. Hein. Mhm. C'est pas juste le jour de la fête. Ensuite, il a eu l'idée de faire la ceinture verte là, pour pouvoir ceinturer la ville de Niamey par rapport aux intempéries. Mhm. Mhm. Et c'est ça qui a donné l'idée de la ceinture verte et qu'on connaît que des gens parlent, ça a donné son nom un peu à la zone, la zone boisée. Qui, aujourd'hui est en train de disparaître. Bien sûr, Qui, est en train de disparaître. Maintenant, bon, des Moringa, bon, bien évidemment. Bien évidemment, mais le Moringa, personne ne va aller mettre ça dans son champ si tu ne mets pas de clôture, de haies pour pouvoir protéger les plants. Parce que les animaux vont venir manger, des gens vont venir même arracher pour aller mm. cuire chez eux. Mm. Alors, qu'on dise, non, l'accent est mis sur le Moringa. Déjà, les gens le font. Moi, j'ai fait un travail autour de ça. Je suis allé juste dans la zone de ça et dans la zone de Taureau, il y a un peu partout. Mmh. J'ai vu comment ça se produit. Mmh. C'est des coopératives féminines qui font ce travail-là. Ça génère beaucoup d'argent, ça permet à des femmes d'envoyer leurs enfants à l'école, mmh. en tout cas de les suivre même à l'extérieur, grâce à la vente. Mais maintenant, on vient de dire non, il faut mettre l'accent. Moi, je dis, toutes les plantes sont utiles. Les champs ont besoin d'être reboisés, n'est-ce pas il ne faut pas dire que non, non, non. On met l'accent. Ça veut dire que chaque peuple de famille doit forcément planter Moringa. Moringa, c'est une culture qui. Une culture. vous, savez, vous savez, vous savez, il y a des périodes où le sac il y a des périodes où le sac fait 35 000, 40 000. 50 000, 000 n'est-ce pas Ça veut dire que les gens connaissent déjà l'utilité, la valeur. Ça veut dire tu manges d'abord. Même si tu n'as rien, tu as juste une tasse, tu peux faire bouillir ça, tu mets un peu de sel, tout le monde va manger à la maison. Il y a l'argent aussi que ça te génère. Mais maintenant, qu'on ne dise pas que, bon, on a mis l'accent sur ça. Le plus important, Alain Suleiman l'a dit, on fait du folklore. On fait du folklore pourquoi On mobilise dans toutes les régions de ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de décentralisation. On remercie ou on fait des prix. La dernière, récemment, on a donné des prix, des prix qui vont de, de 3 millions, je crois, jusqu'à 500 000 francs ceux qui ont montré, souvent c'est des coopératives, souvent c'est des individus qui ont montré qu'ils sont dans cette dynamique de reverdir, de reboiser un peu le pays. Moi, je dis qu'on responsabilise chaque commune. Ça dit Pour aller dans ce sens. Non, pour aller dans ce sens. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le jour de la plantation. Chacun va se montrer qu'il est soucieux de l'arbre. Non, on prend les arbres il faut Ça doit être sur toute l'année. Eh, eh, Ce n'est pas seulement le moringa. Hmm. Il n'y a pas une plante qui n'est pas utile. Hmm. À moins, peut-être ne pas connaître seulement les vertus de la plante, mais il n'y a pas une seule plante, un seul arbre qui n'est pas utile. Mais il y en a de la consommation elle est facile. Oui, mais alors, mais moringa, c'est commercial. Hey, laisse tomber. C'est parce que les gens, ils savent qu'il y a l'argent dedans. Et qui, va mettre moringa Celui qui va mettre, il va planter peut-être 10 pieds de moringa ou 20 pieds de moringa mais il va mettre les grains, mais il va encercler ça. mais si c'est un arbre, gao ou quelque chose comme ça, tu, vas laisser ça comme ça. Si mm. un animal vient brouter ça, ça te, ça, dirait. D'accord, ah, merci. alors, Merci. Nous allons poursuivre avec le second sujet de, ce forum c'est qui nous amène à parler de sécurité. Donc, euh, je l'ai annoncé en titre, la situation sécuritaire qui prévaut dans la commune de Gabi, région de Maradi, préoccupe plus d'un. Les femmes de la commune rurale de Gabi, surtout celles des villages frontaliers avec le Nigeria, mènent une vie difficile ces derniers temps avec la persistance de l'insécurité le long de la frontière. Elles ont délaissé beaucoup leur activité comme le commerce ou l'agriculture, de peur d'être tué ou enlevé par des bandits armés, selon Maria donc Issa la Kunja, c'est la présidente des femmes de Gabi. Le président de la République, donc Bazoum Mohamed, en visite dans la région de Maradi, a rencontré dimanche matin la population de la commune, justement de Gabi. Il a félicité les militaires pour leurs efforts qu'ils déploient pour la sécurité dans cette zone et a déclaré devant donc, euh, les populations que le dispositif euh, sécuritaire sera renforcé, a rapporté donc notre correspondant à Maradi Mohamed Maman. Elhaj Suleiman Mamadou, euh, quelle appréciation faites-vous de la visite et des promesses du président aux populations éprouvées de Gabi Je pense que c'est une très bonne chose parce que le président de la République a rappelé à la population euh, depuis que l'été, ministre de il s'intéressait à la question, mais le problème demeure et c'est pourquoi elle est sur le terrain pour davantage s'inquiéter de la, de, la, situation. Et comme vous le savez, le gouverneur de la région avait fait dans un point de presse euh, décrit la situation à, Maradi, qui est un peu différente des autres régions. À Maradi, à Gabi et euh, dans Kano, en tout cas, dans la région de Guiderum, cette zone-là Donc, ce qui se passe, euh, c'est le grand banditisme. Euh, donc comme ces zones frontalières donc, où les bandits profitent, euh, euh il surtout à l'extrême du côté du Nigeria, où euh, du fait de l'organisation de l'État là-bas, le gouverneur n'a pas les prérogatives que, que, le gouverneur ici chez nous. Là-bas, le, les FDS n'obéissent que à, l'ordre de l'État central. Hmm. Donc, euh, il y a donc une sorte de laisser-aller. Ici, au Niger, on s'assume, mais du côté du Nigeria, vraiment, c'est une zone de no lente land où les bandits, effectivement, écument donc la, hmm. les frontières. Et à partir de là, ils, viennent faire les rats. Et, et, l'autre élément aussi très important qu'a expliqué le gouverneur, c'est que avant, ils venaient prendre le bétail ou bien euh, voler, mais ils se sont rendus compte que le kidnapping, le fait d'enlever des, des, individus, coûte plus cher et moins euh, risqué, donc, les zones développées plutôt, euh, l'enlèvement des de, de personnes, mm. si vous prenez le, bétail, c'est assez donc euh, laborieux, mm-hmm. absolument méticuleux, et avec le risque de se faire attraper. Mais quand vous élevez deux ou trois individus, euh, c'est plus cher, on va vous mm, prendre vrai de, que plus, ça prend de l'ampleur avec des demandes de rançon. donc, je pense que ce que le président de la République a, a, a fait, euh, c'est comme il l'a fait à Difa, en tout cas, c'est une très euh, bonne chose. C'est-à-dire qu'ici, puisqu'il dit, ils ont davantage renforcé euh, donc, la présence des FDS, mm. mais aussi ils ont impliqué les autorités nigériennes, en tout cas, à collaborer. Et je pense que le gouverneur de Moradi a une réunion bientôt, en tout cas, avec les, les trois autres gouverneurs, celui de Sokoto, donc de Katina et, mm. je crois, Sokoto. Euh, donc Katsina et Zamfara, pardon, mm, Zamfara. Mm, mm. Donc euh, il y aura une réunion donc parce que tout simplement ils sont d'accord, sont donc pour faire le point sur cette situation et voir que... Euh, c'est la sécurité parce qu'aucun pays euh, et nous, on ne peut pas justement euh, en finir avec le banditisme. Hmm. Donc, ils sont convenus de, de, de, collaborer. Mais je pense aussi le, le plus important, cette euh, opération euh, Frotte Bicha, effectivement, qui, a donc, qui est en train de vraiment d'avoir des résultats, hmm. donc qui, qui, est renforcée. Et je pense que le ministère du Président, face au, donc au FDS donc de la zone donc de défense numéro 6 en tout mm. cas qu'on mm. à leur dire que à les, les motiver à les, encourager je pense qu'on a besoin de cela avec un chef en tout cas qui vient véritablement dire que bon voilà j'ai fait depuis que j'étais ministre de l'intérieur voilà ce que j'ai fait c'est pas suffisant mais je suis venu davantage manquer la situation et je vous promets que je prendrai des mesures en tout cas on va chercher à trouver la solution au problème mm. Hussein Issa, sur quoi faut-il miser pour mettre fin aux souffrances de ces populations tant éprouvées dans cette zone Oui mais ça fait que ça dure. Ça dure. C'est dans toute la bande Madaroufa jusqu'à. Ils viennent, on dit banditisme. Moi, même ce qui se passe dans la zone euh, nord de la moi, je considère que c'est du banditisme. Seulement, ils n'ont pas les mêmes appellations parce que. c'est la même chose. Au Nigeria aussi, c'est la même chose. Les gens ont pris goût au gain facile. C'est en fait ça. Vous venez dans un village, vous avez quelques armes, vous menacez tout le monde, vous convoyez le troupeau, vous voyez les familles qui sont un peu vous voyez, vous fouillez les maisons, vous prenez tout ce qu'ils ont comme bien, vous emportez vous savez qu'il n'y a pas de poursuite. La manière de faire, mhm, moi j'ai dit, mhm. la manière, parce que ça fait des années que ça dure. Mhm. Ces populations-là, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ils payent tout. La meilleure manière de faire, c'est de créer les conditions pour que. Je ne dis pas qu'on ne peut pas éradiquer, qu'on peut éradiquer de manière durable, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait des attaques. Mais quand ça se passe, surtout dans le contexte actuel, où les gens ont des téléphones portables, il y a quelqu'un peut-être qui a pu échapper à l'attaque, qui peut appeler en ville pour dire on est en train d'être attaqué. Ceux qui viennent enlever le bétail ou ceux qui viennent enlever, moi je dis souvent, parce que pour convoyer un troupeau, c'est à pied. Mm. même si vous amenez des animaux et des, véhicules, et ce n'est pas le cas. C'est à pied qu'on convoie les, les, les, troupeaux quand on les enlève. Si l'alerte est donnée, ne pas attendre. Rapidement intercepter les gens, les détruire, rapatrier. Donc pour vous, c'est vraiment la promptitude la réponse, la réponse, réponse, parce que quand il y a la réponse, quand la réponse est, et la riposte est, systématique, immédiate, moi je dis, ces gens, ils voient. Parce qu'ils ont pris goût. Ils ont pris goût, hein. C'est pas qu'on dise que non, non, non. Non, moi je dis, y compris dans la bande note, il avait là. C'est des voyous qui sont là, tapis. On dit, ils viennent du Nord, Mali, des choses comme ça. Quand quelqu'un va venir du Nord Mali, il va tuer, ou du machin, de, de et tout, et tout, il tue, il s'en va. Mais alors, alors, c'est karma, si. C'est comme si nos États ne sont plus en mesure de sécuriser leurs frontières. Je pense qu'on peut prendre des mesures qui vont permettre. Je ne dis pas qu'on peut éradiquer, mais, mais euh, ceux qui vont venir le faire, vous savez, c'est quoi la pédagogie mm. Un groupe vient, il attaque, on massacre tout le monde. Tous les éléments du groupe, on les massacre le deuxième groupe qui va vouloir venir là, il va réfléchir par deux fois. Ah, le risque auquel, voilà le risque auquel on s'expose. Alors, il faut qu'on se donne ce moyen-là. On est dans un contexte où, à l'époque, s'il n'y avait pas de téléphone, c'était souvent télégramme ou machin. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Dans tous les villages, dans le Niger, il y a des gens qui ont ça. Donc, vous ceux qui posent la question de la collaboration et de la. Oui, mais la collaboration. Le problème, c'est pas que la collaboration n'y est pas. Mais le problème, c'est la promptitude. Souvent, les gens collaborent. Moi, souvent, quand on dit que les paysans, les populations. Non, parce que les populations s'exposent souvent. Il y a beaucoup de gens qu'on est venu tuer par après. Parce que tout simplement, ils ont dénoncé et des gens sont là dans les villages. Il y a des, des, gens qui sont dans les villages qui, qui, disent aux, aux, aux là, aux assaillants là, hmm c'est quelqu'un qui vous a dénoncé, hein. c'est un tel qui vous a dénoncé. Il viennent, ils massacre tout le village. Alors, il faut mettre fin à ça. D'accord, on va permettre à Maimouna aussi de donner son point de vue par rapport à cette question de Gabi. Euh, euh, euh, le président était là, il a rencontré la population, il a rencontré les FDS qui sont dans la zone en train, en tout cas, de faire de leur mieux pour sécuriser la zone en dehors, euh, Hussein disait que s'il faut, si, on veut avoir en tout cas de l'effet par rapport à la lutte dans, cette, dans cette zone-là, c'est de, de, faire en sorte comme la promptitude, en tout cas dans la réponse, dans la réplique. Mhm. Euh, permettra de beaucoup euh, diminuer la, les capacités euh, de nuisances. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui est possible de faire, d'avoir un effet sur, sur cette insécurité dans la zone Ce qui est possible par rapport justement à cette insécurité, parce que l'insécurité, nous voyons que ça prend de l'ampleur dans cette zone de Gabi mm. parce que tout simplement, c'est plus proche de la frontière du Nigeria. Et comme l'a si bien dit, c'est la promptitude. Donc euh, on ne peut pas venir aujourd'hui euh, enlever les paisibles citoyens et qu'il n'y a pas une réponse euh, rapide donc, par rapport à ça. Mm. Et il y a également la collaboration. Mm. On ne manquera pas donc d'interpeller à chaque fois les populations par rapport à cette collaboration collaboration entre forces de défense et de sécurité et la population. Mm. Parce que des fois, c'est comme ce que a dit Ousseini. Des fois, c'est pas que la population ne veut pas collaborer, mais la population va collaborer. Et ensuite, c'est la population qui va, euh, c'est cette, mm-hmm. oui, oui, qui va être, ramasser les pots cassés. Mm. Donc, ça veut dire que plus la population est informée à temps, la population peut informer à temps les forces de défense et de sécurité, plus les forces de défense et de sécurité doivent faire de, cette question euh, doit être rapide quoi, mm. par rapport à cette situation. Je me dis que c'est vrai, c'est l'acte que le président de la République est en train de poser, c'est à saluer. C'est à sa juste euh, valeur. Saluer ça à sa juste valeur parce qu'il l'a fait à Difa. Mm. Il l'a rappelé quand il était devant la population de Gabi, qu'il était il y a un mois de cela au niveau de Difa. C'était justement pour répondre à cette situation d'insécurité et également remonter le moral des forces de défense et de sécurité qui sont dans cette zone-là. Vous avez vu, les forces de sécurité qui sont dans la zone de Maradi, euh, Gabi, c'est des forces de défense qui peuvent, en tout cas, qui ont droit de poursuite jusqu'à 30 km à l'intérieur du, du, Nigeria. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a certaines frontières qui n'acceptent pas la poursuite euh, de certains euh, malfrats ou bandits qui, se réfugient dans les, frontières là, sur les frontières là. Mm. Donc, mais quand même avec cette situation, peut-être que ça peut améliorer les choses. Mm. Et là, Suleiman avait parlé aussi d'une rencontre qui est en vue entre euh, les autorités du Niger et celles du, côté Nigeria. Mais il le faut. Mm. Il le faut cette rencontre là. Parce que maintenant, il faut conjuguer les efforts. Et du Nigeria, et du côté du Niger. Donc, c'est également une solution qui peut avoir une réponse euh, favorable par rapport à cette question de sécurité. Hussein, vous voulez ajouter quelque chose Je veux ajouter quelque chose de très important. Regardez un peu ce qui se passe d'IFA depuis pratiquement 2015. On dit collaboration, synergie. Mais ça n'empêche ces gens. Ça veut dire que si nous, nous faisons des efforts. Et que de l'autre côté, ils ne font pas des efforts. Ça dire que du côté du Nigeria, vous voulez mais, dire mais, de l'autre côté, oui, bien mm. sûr, du côté mm. du Nigeria. Mm. Mais qu'on se donne les moyens que si tu rentres sur mon territoire-là, tu ne peux pas échapper. Si eux, ils ne veulent pas faire les efforts-là, alors tu vas être dissuadé. Tu ne vas plus revenir chez moi pour vouloir perpétrer des actes et retourner là-bas. Tranquillement. C'est ça qui manque. Parce que quand on dit synergie, souvent ça met du temps. Ça met du temps. Chacun se met dans son coin, on vient, on fait une réunion, on concepte, on dit voilà, voilà ce qu'il faut mettre en place. Si on met un dispositif en place par là, peut-être de l'autre côté, il faut attendre six mois pour que le dispositif soit, opérationnel. Est-ce que ça, c'est efficace Alors que s'il y a le dispositif simultanément, il y a un dispositif ici, il y a un dispositif de l'autre côté. Dès qu'il y, a une, euh, moi, j'informe de l'autre côté on vient d'attaquer chez moi, ils sont en train de vouloir. Il y a l'interception qui va se faire de manière systématique, immédiate. Euh, Ceux qui sont venus faire les dégâts ici, hmm. ils n'auront pas le temps d'aller se casser. Se je pense qu'avec cette réunion-là, peut-être que c'est les mêmes solutions qui vont en découler. Hmm. Certainement. Oui, Alain Suleiman, rapidement. Après, à la riposte, j'ai entendu le maire de Gabi et le maire d'Ankano, en tout cas, qui disent que, comme de plus en plus, dans le cadre de l'opération Bichia, en tout cas les FDS, quand ils sont informés comme le Sénat a fait effectivement, il arrive à soit euh, arracher les bêtas ou bien absolument à. Oui, c'est vrai que souvent on a, on, a, euh, maintenant, on, voit, même certaines euh, informations et certaines images oui, qui circulent où des gens ont été justement interceptés qui venaient de, de, faire absolument. Donc cela veut dire que aussi il appartient à tout le monde de la population de jouer sa partition en informant justement qui est de droit et attends. en temps réel. Merci. Et, nous terminons donc euh, avec euh, cette rencontre culturelle. Donc, je le disais, euh, c'était des acteurs culturels qui se sont rencontrés jeudi 29 juillet passé à Niamey en prélude à la mise en place donc d'une prochaine, plutôt d'un prochain dispositif qui devait permettre de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Selon le directeur général du patrimoine culturel, le trafic illicite des biens culturels est toujours d'actualité au Niger, d'où la nécessité de mettre fin. Je vous propose de suivre Dalla de Adamou euh, au micro de Nafis Adamou. Bien que le 14 juillet, il y avait eu une opération de saisie opérée par la cellule euh, Ayo Anti-Trafic au niveau de l'aéroport international d'Amé. Ils ont pu mettre la main sur euh, 26 pièces et plus de 200 fragments objets fossilisés qui ont été préparés à destination d'Australie. Donc euh, c'est d'autant plus d'actualité puisque à moins d'un mois, nous sommes déjà dans une situation de trafic. Je pense que cette rencontre euh, est venue à point nommé et ça renforce notre euh, dynamique de sensibiliser, d'informer les différents acteurs, mais également à travers ça de contribuer à la lutte contre le trafic et les illicite dans notre pays. En plus, de ces journées d'échange, nous avons prévu la révision de la loi 96 022 relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Comme vous savez, qui a été adoptée depuis 1997, elle est obsolète aujourd'hui. Il faut qu'elle prenne en compte euh, des nouveaux enjeux, notamment la question du trafic. Également, nous sommes dans l'ère du numérique, donc il faudrait que ça soit pris en compte. Vous venez donc de suivre Danladi Adamou, c'est donc le directeur euh, général du patrimoine culturel. Hussein Issa, une rencontre au sujet donc, de, cette question de trafic illicite euh, des biens culturels. Comment, comment, en tout cas, euh, lutter efficacement contre cet état de fait Il faut d'abord protéger les sites. Les sites, parce que nous disposons de beaucoup de sites. Est-ce réaliste C'est possible Non, non, je vais dire, moi, je parle de ce que j'ai fait. Hmm. Je parle de ce que j'ai fait. En 2005 déjà. Hmm. On a intercepté un trafic important de biens culturels à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. En France. En France, oui. Mmh. Des de, qui sont sortis de, comment on appelle, de cette zone de terrain, comment on appelle la. Hein, euh, Boura. Moi, j'ai été informé, j'étais même pas sur place à, ici au Niger, quand j'étais informé. Alexeur, c'est un travail, c'est un domaine, je connais tous ceux qui sont au niveau de l'IRCH, pratiquement, y compris le chef de département. Mais le problème, c'est quoi C'est bien de dire il faut mettre en place les textes. Ce pas les textes qui sont des Mm. En réalité, le problème, c'est comment sensibiliser les populations. Comment sensibiliser les populations par rapport à l'importance de ces biens-là. Aujourd'hui, il y a des sites qui sont là. Il y a beaucoup de sites où des fouilles ont commencé, mais après, les populations abandonnent. Il y a Gadfawa, par exemple. Mais il y a des Blancs qui viennent ils vont, ils constatent des choses, ils découvrent des choses. Il y a même des populations qui découvrent des choses dans leur champ. Ils viennent, <laughs> ils vont, ils montrent ça à des gens de passage. Les gens disent bon voilà, mais bon moi c'est pas, ça ne vaut rien du tout. Je vais l'acheter à tel prix. Je, te donne moyennant quelque chose, quelque chose que tu as découvert dans ton champ. Pour toi, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça ne t'appartient pas. non, mais tu as découvert ça. Peut-être c'est un ancien. Quand Oh, il n'y a pas cette sensibilisation. Parce que les biens culturels dont on parle, ça, les, sites archéologiques et tout et tout, c'est souvent c'est des, siècles. Ça remonte au, comment avait dit, il y a eu des travaux de recherche. c'est le hein? site des dinosaures. et tout et tout. Hmm. Mais il y a eu beaucoup de pièges là-bas. Pour vous, l'important, c'est sensibiliser les populations et protéger il faut les, accompagner. Il faut les accompagner en les assistant. Hmm. Parce que quand on les... parce que l'année là, en 2005, je vais parler, hmm. ils ont mis en place un mécanisme de sensibilisation des populations. Partout, il y a des sites de fouilles on sensibilise les populations. Pour que des objets qu'on ne puisse pas accepter que les objets. Mais il y a des gens euh, qui sillonnent. Il y a des gens qui sillonnent. Et c'est un débat qui fait, comment dirais-je, qui est d'actualité, y compris sur le plan international. Oui, avec le rapatriement, le rapatriement de, certains biens qui ont été. voilà. Alors, s'il n'y a pas ce travail-là en amont, il ne faut pas s'attendre à ce que les paysans de, comment, je ne sais pas moi, quel village du, du Niger, que ces paysans-là ramassent un objet et qu'ils trouvent que cet objet-là est bizarre ou quelque chose comme ça, innocemment, et qu'ils ne viennent pas déposer ça. Le jour où il va montrer ça à quelqu'un qui s'y connaît, qu'il lui dise, bon, ça, ça vaut quoi Ça vaut rien du tout. Voilà, lui donner 500 francs, 500 francs, et puis bon, il s'en va avec. Elle Suleiman Problème réel euh, qui, effectivement, rappelle notre début, euh, rappelle la colonisation. Euh, très malheureusement, ça met à nu le mensonge du colonisateur qui a prétendu, qu'il a voulu faire le table rase euh, de nos cultures euh, qui, aujourd'hui, très malheureusement aussi, quand ils sont venus, ils ont volé les, objets d'art. Par exemple, aujourd'hui, il faut aller en, France au musée de Kimberley mm. ou bien au musée de Londres ou bien aux États-Unis. Mm. pour voir certains objets. Récemment quand on était une équipe de journalistes, on est allé au Kibrali, on nous a montré, je vois dans les livres, les masques de On, on, nous a montré justement, c'est un peu réel maintenant qu'il y ait maintenant des nôtres qui s'intéresse justement à ce trafic, hmm. il va non seulement falloir donc euh, conserver ce qui existe sur le terrain, mais hmm. aussi chercher, puisque c'est la, tendance, hmm. à en fait récupérer le retour. en tout cas, au Bénin, il y a ce processus-là qui, est enclenché. Euh, donc, tout simplement parce que euh, c'est aussi cela. ces musées aujourd'hui, quand vous allez voir, contrairement ici chez nous, ceux qui les fréquentent, c'est aussi des, ressources, c'est de l'argent. Mm. Ça coûte. Donc, euh, je pense que c'est tout à fait opportun. On ne peut qu'encourager, euh, en, tant que, en tant que média, on ne peut qu'accompagner, en tout cas, cette initiative qui me semble euh, très, très intéressante. Ne serait-ce que tout simplement pour l'intérêt vraiment historique, l'intérêt de l'art, en tout cas, qu'elle regorge. Mamoun, en terminant avec vous sur cette question de, préservation de biens culturels. Oui, euh, je rejoins ce que mes autres confrères ont dit. Il faut vraiment cette préservation euh, des sites culturels euh, parce que nous avons ici au Niger des sites vraiment où il faut valoriser ces sites-là. Valoriser ces sites, c'est comment Il faut d'abord les protéger. Mm. On a tellement énormément de sites archéologiques qu'aujourd'hui, il faut les mettre en valeur. Et il faut également la contribution de la population en les sensibilisant, en leur euh, disant que ces sites archéologiques ont une, sont en relation avec justement ces populations. Mm. Donc ça veut dire que c'est l'histoire. Donc on ne peut pas permettre aujourd'hui que l'histoire, par exemple, d'une zone bien déterminée, euh, comme le Niger, par exemple, on a des histoires. Chaque région a sa petite histoire. Donc ces histoires-là, il faut se rattacher ces histoires-là à cette population pour leur montrer vraiment l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que ces populations peuvent énormément bénéficier de ça. Énormément, quand je dis énormément, en mettant euh, vraiment les moyens à ces populations pour euh, la préservation. Quand vous regardez, quand on regarde les girafes de Corée, Aujourd'hui, avec la préservation de ces girafes-là, à un moment donné, la population était vraiment euh, enthousiasmée mm. parce qu'ils recevaient de par euh, les visiteurs, mm. beaucoup de choses et ils tiraient beaucoup de choses par rapport justement à ces, à ces mm. girafes. Donc, c'est vraiment ça. On a des sites archéologiques il faut sauvegarder ces sites archéologiques, il faut chercher à collaborer et il faut également aider ces populations pour qu'ils sachent que vraiment c'est une histoire qui est là et on ne peut pas se permettre euh, de prendre une histoire qui appartient à nous-mêmes et qu'on raconte l'histoire de l'autre côté. Merci beaucoup. Nos frontières. Merci, merci à tous. Merci à tous d'avoir accepté d'être avec nous durant ces 45 minutes pour le forum de la presse. Nous étions en compagnie de nos confrères euh, Elhaj Mohamed Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Maimouna Diadou, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Je suis Alassane Kouzima Mamadou à la modération de ce forum de la presse. La régie sont assurée par Amina Hassan. Réalisation vidéo Mustafa Ayouba. Rendez-vous ce week-end pour euh, suivre sur les 47 radios partenaires du studio Kalangou le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème Le problème de l'eau à Zander. Et le dimanche, le forum en Zarma sur l'évolution de la polygamie dans la société nigérienne. Quelle nuance Bonsoir.